Thank <laughs> you. toujours dans votre actu du jour de ce 20 mai 2024 sur VIP People TV la chaîne des grands événements nous avons l'initiative du le premier ministre Ousmane Sonko qui et échange à mu amal jëmle examen yi nga concours de l'année scolaire 2023 2024 Ousmane Sonko le soir, ci li nga de ni intérêt stratégique Il y ci yenn défi Nous avons un extrait de vidéo Ousmane Sonko dès le soir. mon gouvernement mais également son excellence M. Bassirou Diomaye Faye président de la République porte au secteur de l'éducation pour nous, il y a des priorités. Et ces priorités, c'est que les Sénégalais doivent manger bien et pas cher. Les Sénégalais doivent se soigner, mais les Sénégalais doivent surtout s'éduquer. C'est des choses dont, dont on a tendance un peu à négliger ou à oublier, tant on est dans le mirage du développement, se traduisant beaucoup plus par des réalisations infrastructurelles au détriment de ce qui nous semble être essentiel, c'est-à-dire le capital humain. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur ce capital humain. Éduquer, au-delà de tout, c'est créer des emplois pour préparer à l'emploi également. C'est pourquoi ce n'est qu'un petit exercice euh, au milieu d'un grand tableau qui nous attend sur la problématique de l'éducation. Nous connaissons bien les défis et ils sont colossaux quand on parle d'éducation. l'éducation, c'est l'infrastructure, c'est le social, c'est les ressources humaines. Il nous faut travailler à être assez performants sur chacune de ces rubriques les infrastructures scolaires, universitaires. Tout le monde connaît le déficit, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Nous ne pouvons pas envisager sérieusement réaliser nos objectifs en termes de développement sans y travailler à résorber ces, ce gap. Sur le plan des ressources humaines également, il y a à continuer à travailler tant sur le plan quantitatif recrutement, mais également sur le plan qualitatif formation continue, formation initiale. Le social, c'est tout ce qui doit accompagner de, du préscolaire à l'université, tout ce qui doit accompagner l'étudiant ou l'élève, particulièrement ceux qui sont issus de familles assez défavorisées et pourtant qui peuvent être dotés d'un potentiel quelquefois au-dessus de la norme. Il nous faut travailler sur tous ces paramètres et y travailler rapidement. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt, je crois que c'est le ministre de l'Éducation, ce qui fait la différence entre les nations en termes de progrès, c'est le degré d'éducation la qualité de l'éducation ginnaaw bi nga xamanteni ñew na présider li nga xamanteni moy conseil interministériel jëmle ko ci préparation examen concours bi nga xamanteni mo waral année scolaire 2023 2024 mom mii Ousmane Sonko dafa del soit ci ben importance jaarle ko ci ay problématiques yo xamanteni lepp lo xamanteni suñu sukkandikoo ci ben intérêt stratégique la jaarle ko ci gouvernement bi dina don également lo xamanteni lu muccu ayib la jëmale ko ci ki nga xamanteni moy monsieur le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye daal di accordé ben buntu secteur jaarle ko ci éducation bi ginnaaw bu mu dajé nga xamante ni la doon essentiel jëmale ko ci examen concours yi jaarle ko ci année 2023 2024 Ousmane Sonko dellusiwaat na ci lepp lo xamanteni moy intérêt stratégique jaarle ko ci lepp lo xamanteni tay mën nañ ko jappé ben défi fii ci Sénégal jëmale ko ci li nga xamanteni moy concours ci élèves yi nga xamanteni moy mooy atum 2023 2024 Ousmane Sonko loolu la xamlé ci ginnaw loolu dal xam dal lepp luy priorité dafa don lo xamanteni que képp kuy sénégalais da nga wara a lekk bu baax baax ba nopi du don lo xamanteni lu cher la sénégalais dañu wara faju mais aussi sénégalais dañu wara surtout éduquer li nga xamanteni xamante ni yenn yi jëmale ko ci li nga ay tendance yoo xamante dañ koy parfois du ko fàtte ba noppi mu daal souligner que les loo xamante ni dafa doon ay mirage de développement dañ ko war traduire jëmale ko ci li nga xamante ni réalisation ay infrastructures qui détermine ñi nga xamante ni dafa semblé wu ñu doon lu essentiel jaarle ko ci capital humain tey daal lépp loo xamante ni bëgg nañ def accent bi dina doon ci li nga xamante capital humain muy li nga et ni ay kaddu yu Ousmane Sonko xamle ci ginnaaw échange yi mu doon def jëmale ko ci li nga xamante concours année scolaire 2023 2024 Wednesday.